chers parents cheminots, militaires et paramilitaires, retraités, veuves et orphelins, étudiants et étudiantes, commerçants et ambulants, membres du secteur informel, chers frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, population du département de Thiès nous voici arrivés à l'entame de la campagne électorale comme tant attendu qui durera 21 jours à compter de ce dimanche 9 juillet 2017. Campagne au cours de laquelle il nous faudra parler à cœur ouvert, sans a priori et sans état d'âme, avec vous d'abord. Population du département de Thiès, la battante. Il nous faudra non pas tenir un discours fanfaron, mais vous convaincre et au besoin, vous amener à rallier notre cause qui est celle du bien-être de notre pays, de notre département et du mieux vivre de ses enfants. Vous n'êtes pas sans savoir l'âge de taille que représentent ces joutes, lesquelles joutes Demande en anticipé de la présidentielle de 2019, mais disputée par des ténors que, que je me ferai l'économie de citer. En ce sens, je m'adresse à toutes les tranches d'âge, particulièrement à notre jeunesse. Qui doit dès aujourd'hui porter le combat du changement en s'intégrant pleinement dans la vie de la nation qui est la leur. L'ère que nous vivons est la vôtre. À vous donc, jeunesse du département de Thiès, chers frères et sœurs de parti, chers frères et sœurs, de faire partie de cette 13e législature qui fera suite à cette campagne et d'être le porte-étendard de cette grande nation qu'est le Sénégal. Si petit soit-il géographiquement, mais combien honorifique de l'avoir comme pays. Et Thiès, la cheminote, Thiès, la ville du refus, capitale du rail, ne sera pas en reste pour marquer d'une encre indélébile cette 13e législature une raison qui me pousse à vous inviter à faire votre la liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal en votant massivement pour une assemblée de valeurs et de rupture. Votre fille, l'honorable député Lemouniaï, moi-même et, et tous nos frères et sœurs alliés, sympathisants, sympathisantes, venons à vous, d'une fils du département de Thiès, pour vous demander de nous laisser être vos serviteurs en allant clamer haut et fort les mots dont souffre la localité. Le défi de la coalition gagnante, tout Sénégal, c'est de disposer de députés au service du peuple qui sauront défendre les intérêts de celles-ci et non ses cryptos personnels. a besoin de vous décrire la liste aux couleurs jaune-bleu avec l'épidémie au milieu qui, depuis le temps, se plie au gré du vent. Mais ne seront jamais, il est toujours debout. Et le sera pour ces valeureuses personnes qui ont cru et continuent de croire en Mais pensez vont à l'endroit de mes parents cheminots, des veuves et orphelins, cela en activité ou à la retraite, qui par la plupart, qui, pas plus tard qu'hier, manifestent leurs difficiles conditions de vie. À ces derniers viennent s'ajouter nos voyants militaires et paramilitaires, toujours, toujours au service de la nation. Mes frères et sœurs étudiants, soucieux de leurs avenir, les commerçants et ambulants, le secteur informel, bref, toutes les composantes de notre cher département, lequel département aujourd'hui est en déciatude à cause d'une population livrée à elle-même, sans aucun moyen pour le développer. Un département qui ne l'est que de nom, et qui pourtant devrait être la voie par laquelle Thiers brillera de mille fois. J'en veux pour preuve le secteur maritime, celui maraîcher et agricole, sans compter la découverte récente du pétrole et gaz, Kayar, sport profond. C'est pour vous dire que Thiers département regorge de potentialités, mais relance exploité et d'autres fins aux exportés vers d'autres cieux. Ceci doit cesser. Les dignes du département de Thiès doivent bénéficier de ce qui leur revient de droit, des recherches de leur sous-sol ou halieutique. À ce titre, à ce titre, chers amis, à ce titre, chers sympathisants et sympathisantes, j'invite, j'invite un débat public à toutes ces têtes de liste de la coalition qui tiennent œuvré qui tiennent pour l'intérêt du département de Thiès. Je vous nomme Idrissa Seck de Banco au Sénégal, Sireja de Benno Bokuyakar et Tal de Fal Askanui. Ce sera l'occasion, ce sera l'occasion pour tout un chacun de défendre son programme pour le département devant un seul arbitre qui sont les Tchessois. Sur ce, je vous invite, chers Tchessois et Tchessoises, à prendre notre destin en main pour l'avenir de notre terroir. Car Thiès a besoin de 109. Vive la coalition gagnante droite Sénégal. En avant, en avant. jàppale sen doom Mouhamed Lamine Massaly léegi euh, mu wax na ko nee na Massaly am na fidélité Massaly amna courage Massaly amna engagement lool moo ko jox tay position bi mu am tay ñu investir ko ci département bi mu and ko ak suñu sœur Léemu ndjay ak suñu beneen sœur Soxna ndjay bu convergence démocratique bokk ci si liste suppléant kon nak doomu Thiès wa Thiès dañu wara a sen doom parce que jàppale Massaly mooy jàppale sen doom te wax na dëgg dëkk bi ñu ko jox koo xam ne da nga koy jaay waruñu ko jox koo xam ne da ngay dem bàyyi fi militant yi bàyyi fi population bi dañ ko war a jox ki nga xam ne Thiès la yeewoo 24 heures sur 24 di déglu population Thiès yi Massaly lu ñuy def Thiès ma def Thiès xale yu ndaw yi sax boo leen ne kan mooy Mouhamed Lamine Massaly ñu ne la Mouhamed Lamine Massaly doomu Ablaye Wade la PDS la jàppale ko mooy jàppale seen man liste nationale la nek mais daf ma wo ma ne ko damay ñëw ci conférence de presse bi parce que national mom moy fep moy xombal moy Thiès moy Dakar gis nga Dakar jéem nek ma nga fa yëngatu dem ci visite de proximité la nekkoon dama son mais dama ne il faut ma ñëw fekk ci conférence de presse donc pour ñu jàppale suñu département jàppale commune de Thiès jàppale région bi jàppale Sénégal jàppale suñu coalition coalition gagnante Wattu Sénégal pour bu le 30 juillet jëm woon victoire bi sommes suñu candidat yi ak ñun ñi ñu sommes dem assemblée. nekk ko muy wa Benno nous Gis muy parti Tekki muy wa parti démocratique sénégalais muy les étudiants ndaw bépp boo xamante nous sukkandiku na ci nous pare nañ bis ni ki pour mettre suñu bopp à la disposition de la coalition fépp liggéey pour coalition bi gagné. Ablaye Wade def na ci dëkk bi lu fi kenn deful képp koo xamante ne nag gis nga Ablaye Wade ña doon jeex ay tànkam nag laa leen bëgg a wax waa Mbour na nañu ab torche di jeex tànki Ablaye Wade yàlla nañu ko gis.